des baux sont en train d'être délibérés. Je dis bien des baux, parce que l'État du Sénégal, dans sa logique toujours, met des titres fonciers dans les villages bien ciblés. On ne parle pas d'un état, ni de deux états, mais on parle de milliers d'hectares. Non seulement ils mettent des, titres fonciers euh, globaux, pour ensuite se départager comme des petits gâteaux donnés à leurs amis à leurs copains, comme à leur habitude, c'est une bande de copains qui se partagent les liens d'autrui. Et la zone de Yem Toubab ne l'acceptera pas, il faut que ça soit clair. Il nous parle non seulement du pôle, mais il nous parle aussi du projet de Dubaï Corpo qui, au début, était censé être sur 300 hectares. Mais parti de 300 hectares, il monte sur 450. Ensuite, c'est 600. Ensuite, c'est 1200. Aujourd'hui, il nous parle de 1800 hectares. Ça veut dire que ce n'est pas du sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Il ne respecte pas les procédures normales d'expropriation. La mort en silence n'existera pas dans ces communes. Et nous invitons tous les villages de vous, toute personne qui actuellement traverse les mêmes situations que nous, de venir se joindre à ce combat pour qu'on puisse faire face à l'État du Sénégal dans son banditisme foncier pour qu'ils savent qu'ils doit s'arrêter. Les sont fatigués. Et il n'a qu'à reculer avec Muntagasi qui lui sert de besoin de sale boulot. Ils n'ont qu'à reculer. parce qu'ils sont deux et nous on est toute une population. je suis un impacté waaye état dafay signé contrat Dubai Port World bu fi sàgganee ba président boo xam ne at moo fi des at dugal ko ci ay tooxi doonu président bu fi ñëw di contrat ça c'est un message pour Dubai Port le message pour Dubai Port World c'est que ce gouvernement là est dans la précipitation ils savent qu'ils ne peuvent pas respecter les conditions de leur contrat avec Dubaï. Actuellement, le port ne les intéresse même pas. Ils veulent prendre les terres. après port am port amul ñom jël nañ suuf si C'est seen yoon ci port Lolu du fi moi je vous appelle à la révolte j'appelle à une foncière nationale Que ku fi am problème suuf ñëwal ñu